Alors, je rappelle que c'est la septième édition de l'enquête sur le budget ouvert. Et cette enquête, elle analyse chaque année le niveau de participation citoyenne dans le processus budgétaire, le niveau de transparence du processus budgétaire à travers un pays et le rôle des institutions de contrôle telles que l'Assemblée et la Cour des comptes. C'est donc euh, cela le travail et le travail est fait dans 117 pays pour cette édition 2019. Alors le Niger se retrouve pas très bien noté, mal noté j'allais dire, puisque sur la transparence, nous sommes notés 17 à 100. En fait, l'enquête donne une note de 0 à 100 et le Niger à 17 sur 100. ça veut dire qu'on a vraiment du chemin à faire en matière de transparence. Et là, la transparence est mesurée à travers un certain nombre de documents qui condensent l'information budgétaire. L'enquête identifie huit documents budgétaires, dont le projet de loi des finances, la loi des finances locales adoptée par le Parlement, euh, le document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle, euh, les budgets des citoyens, les rapports périodiques. Bref, il y a huit documents à travers on retrouve normalement l'essentiel de cette informations. Ces documents ne sont pas mis à la disposition du public. Au Niger, sur les huit, on a à peine trois pour la période considérée qui sont mises à la disposition du public. Et donc ça montre que nous avons encore du chemin à parcourir. D'abord sur la transparence, sur la participation, tout est à inventer parce que nous sommes carrément au point zéro en matière de participation citoyenne, c'est-à-dire la possibilité dans un pays que donner aux citoyens, en tant que contribuables, en tant qu'usagers des services publics, de dire un mot sur la gestion d'un budget qui est censé améliorer leurs conditions de vie. De ce point de vue, on est totalement au point zéro au Niger. Donc nous avons vraiment du travail à faire. Et l'autre aspect, c'est le contrôle. On se rend compte qu'en matière de contrôle, le travail de la Cour des comptes et de l'Assemblée mérite d'être renforcé. De par la loi, ces institutions ont pour obligation de contrôler la bonne exécution des budgets publics. Mais on se rend compte que, en ce qui concerne la phase pendant laquelle le gouvernement prépare les budgets, les discussions qui se font pour l'adoption, on voit un peu euh, l'Assemblée jouer son rôle. Mais en matière d'exécution du budget, sur lequel les citoyens attendent en particulier ces institutions-là, on a l'impression que ces institutions sont parfois absentes elles n'ont pas le contrôle qui est attendu par les citoyens sur l'exécution du budget. Et donc ça pose un vrai problème et ça débouche sur des conflits. Là où il n'y a pas de transparence, il y a la corruption. Là où il n'y a pas de transparence, l'argent public est perdu. Et donc c'est malheureusement les conséquences qu'on vit ici au Niger, mais aussi dans les autres pays qui sont dans la même situation que notre pays. Voilà à peu près la situation qui révèle cette enquête et elle fait des recommandations au pouvoir public. Ce n'est pas la dernière enquête, il y en aura d'autres. L'idée est d'appeler les pouvoirs publics à être plus regardants sur la transparence, de pouvoir publier ces documents, à l'Assemblée, à la Cour des comptes, qu'ils puissent euh, vraiment faire leur travail, que la Cour des comptes ait plus de moyens financiers. L'enquête s'intéresse aussi à ça parce que sans moyens, elle ne peut pas faire son travail, qu'elle ait plus de moyens sur le plan humain, beaucoup plus de personnel pour faire son travail, que l'Assemblée puisse être en interaction, par exemple, avec les citoyens dans le cadre de l'examen de l'adoption de la loi de finances. Il y a donc toutes ces choses-là que l'enquête révèle et je pense que notre pays, malgré sa situation, a l'opportunité, s'il veut, de se corriger, de se rattraper, s'y arriver à d'autres pays ils ont pris la mesure de la chose et ils ont corrigé les choses dans des éditions. Donc j'ose espérer que le Niger prendra l'ampleur de la chose et travaillera à corriger les constats qu'il y a aujourd'hui. Les médias ont un rôle extrêmement important. Le premier rôle des médias, c'est de diffuser l'information. C'est de dire aux citoyens qu'il y a des choses à corriger. Si on veut être à l'abri de la corruption, on veut être à l'abri de la malgouvernance sur les questions financières, il faut bien que les gens puissent s'informer et jouer véritablement leur rôle. Les citoyens ont le droit de demander des comptes à leurs dirigeants. Pour cela, il faut qu'il y ait un minimum d'informations. Et donc, les choses se tiennent. Plus dans un pays, il y a un minimum d'informations, plus les citoyens demandent des comptes, plus ça amène les pouvoirs publics à se corriger et à aller de l'avant dans le sens d'améliorer les conditions de vie des gens. Donc les médias ont un rôle extrêmement important. C'est au moins de dire les citoyens où en sommes-nous par rapport à cette gestion. Merci, Merci à vous.